que nous devons pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour nous, pour nous avoir nous aider, pour que nous puissions être ici à cette public. Nous, te remercions parce que tu as un bon but pour laquelle tu nous as aidés pour établir le public, pour nous amener ici, pour que nous puissions étudier ta parole. Seigneur, je prie que tu nous donnes la vie, que tu nous préserves et tu nous as préservés, tu nous as donné la vie. C'est la raison pour laquelle tu nous as amenés cette soirée. C'est pour que nous puissions entendre de toi. Je prie que cette étude soit une bénédiction pour nous tous au nom de Jésus. Que ta parole nous lave, va nous purifier, pour nous purifier. Et le but pour lequel, le but pour lequel tu envoies ta parole à nous tous chaque moment, que ce but-là soit accompli dans nos vies au nom de Jésus. Que Seigneur, que dans tout choses que nous faisons, dans notre relation avec toi, dans notre réception et l'assimilation de ta parole, tout ce que tout la soit à ta pour ta gloire au nom de Jésus. Ouvre nos yeux de compréhension que nous, comme nous regardons ta parole, que nous pouvons avoir eh, une, une intention propre compréhension que nous avons appliquer notre compréhension à ça. Merci parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus, nous prions. Je dis, la bienvenue à nous tous ici. Aujourd'hui, nous sommes en Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 1. Et nous lisons à partir du verset. S'il vous plaît, ouvrez la, ouvrez, ouvrez la Apocalypse chapitre 11 le chapitre 16, le verset 1. 16, le verset, 1. Euh, Et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux sept anges, allez et répandez sur la terre les feux du cours de Dieu. Et le premier s'en alla, répandit sa fureur sur la terre, et tomba à un nos nauséabonde et douleur sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur les qui adoraient son image. Et le second ange répandit sa fureur sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme, d'un homme mort, et toute âme, toute âme vivante mourut dans la mer, et le troisième ange répandit sa féroce sur les fleuves et sur les sources des eaux, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, Tu es droit, ô Seigneur, qui est et était, et tu seras et seras, parce que tu, tu as jugé, qu'est-ce que tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, car ils, sont, en sont, qui en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis de terre dire, oui, certainement Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vrai et droit sont les tes jugements. Et le quatrième ange répandit sa fureur sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a pouvoir sur les plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième ange répandit sa fureur sur les sièges de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils mordèrent mordaient leur langue de douleur ils blasphémèrent le Dieu, de, Dieu du ciel à cause de leur douleur et, de, leur, de douceur, et ils ne se repentirent pas de leur action Et le sixième ange répandit sa fureur sur la grande fleuve de fat et son, son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis trois esprits inondés comme des esprits grenouilles, des esprits comme des grenouilles sortis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche de la bouche du feu du faux prophète. Verset 14. Car ils sont les esprits du diable faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin, que, de, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements de peur qu'il ne marche nu et qu'il ne voit pas, qu'il ne voit sans honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé, appelé dans la langue hébraïque Amagedon. Et le septième ange répandit sa férole dans l'air. Et là vint une grande voix hors du temple du ciel et provenant du trône, disant C'est fait et il eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en a pas eu depuis que le des hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et, et la grande Babylone revint à mémoire devant Dieu plus donner la coupe du vin de la férocité de son groupe. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tombait sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle. Car cette, car cette grêle cette plaie était extrêmement grande. J'ai lu tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre, pour comprendre la plénitude, la plénitude et la couleur sur les, sur les, les adorateurs de la bête. ce serait la dernière férole que Dieu va jeter sur le moment de la grande tribulation sur le, ceux qui sont sur la terre. Et vous avez vu ce que nous venons de lire ici. Pour que, ça, ça, ça veut dire que la grande tribulation va vers la fin. Et ça, ça, va rapidement. Et les gens de ce monde ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont laissé la, la, miséricorde de Dieu. Et ils ont perdu la grâce de Dieu. À cause de cela, la, le, le, cours de Dieu, l'indignation de Dieu, le jugement de Dieu viendra sur eux. Et en ce moment, la grande tribulation, en ce moment de la grande tribulation, et le jugement va finalement venir. Et ça vient à une grande, une manière tellement féroce. Et les gens qui sont là, et les gens viendront, ils vont devenir les, ceux qui viendront, ils vont devenir les messagers de Dieu et ils engendrent avec une ils viendront en vous faire des gens. Ils viendront, ils seront des instruments d'indignation et de jugement. Premièrement, ce serait les 100 principes, des, des, des divins qui viendraient pour contempler et voir, pour qu'ils exécutent le plan de Dieu sur ces personnes qui ne sont pas de nouveau. Et dit qu'ils viennent. Et c'est ce qui si maintenant on reste on devient un repentant, on n'est pas sur repenti et on regarde, on néglige la repentance, la repentance de Dieu, alors que Dieu qui fit un père, Dieu qui est fait un père, qui nous a montré l'amour. Maintenant, si on continue dans le péché, on s'enduit sur nos cœurs, ces instruments de, de, de, miséricorde vont va devenir un des instruments de quoi de, chance, de méchanceté, un instrument de jugement et d'indignation sur, eux. Regardons que je montre certaines parties de la Bible dans, dans Romains 2. Romains 2. Romains 2. Romains 2. Romains 2, 4 et 5. Romains 2, 4 et 5. Ou bien, où me tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa euh, longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu ne te conduit à la repentance. Il dit que l'âme. Il dit, il choisit il choisit, il réalise, il nous a montré sa puissance, il nous a montré sa amitié, il nous a montré son amour, il nous a montré sa miséricorde, il nous a montré son amour pour que nous puissions répondre. Mais si nous nous prisons ça, si on rejette ça, si on, on recule ça, on met ça de côté, on dit non Seigneur, Seigneur, reste là où tu es, avec ta, avec ta grâce, avec ton amour, avec ton miséricorde, on ne te veut plus de ça, je ne, veux plus de ça. Et Dieu tourne, il dit maintenant, tu, m'as, tu, tu as rejeté l'amour la, la, et la miséricorde. Ce qui va réussir, c'est l'indignation, c'est la courroux, c'est le jugement de Dieu. Ce qu'on, voit dans verset 5, il dit, mais par la durité et, de, et, de ton, ton cœur impénitent, tu t'accumules de courroux pour le jour de courroux et de la révélation du droit jugement de Dieu du jugement droit de Dieu. On ne voit pas ça non, non, seulement dans le Nouveau Testament, on va aussi voir ça dans l'Ancien Testament, Proverbe, Proverbe 1. Il à que Dieu, Dieu, nous appelle, Dieu appelle dans l'amour, il appelle dans la grâce. Il dit Je t'aime. Tu dois être né de nouveau. Tu dois donner à Dieu, tu dois ton cœur, ton cœur à Dieu au Seigneur Jésus-Christ pour que tout est péché pardonné. Je peux te montrer la miséricorde. Et la, la miséricorde de Dieu va, amener la rédemption, va amener le rachat, va amener la paix au ciel. Et mais si tu dis non, je n'ai pas besoin de la miséricorde, je n'ai pas besoin du pardon, non, je n'ai pas besoin, je n'ai rien à faire avec l'amour de Dieu, alors le jour de Dieu va venir. Dans Proverbe 1, le verset 24. Proverbe 1, le verset 24. Proverbe 1, le verset 24. Proverbe 1, le verset 24. Il dit Parce que j'ai appelé et vous avez refusé, et j'ai entendu ma main, et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun cas à mon conseil, et vous ne voulez nullement de ma réprobation. Aussi je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre père viendra. Voici ce que le Seigneur Dieu dit se refaire les serpents de toute cette génération, toute cette, cette dispensation, tout ce que le Seigneur demande notre euh, miséricorde et il dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés, soit nous soyons rachetés et sauvés et rachetés de nos péchés. Et le Dieu attend, il attend aimer le Dieu, euh, demande demande Alors nous, il va, on veut venir avec lui et il va manifester cette puissance, cet amour-là sur nous. Mais si l'homme continue dans sa rébellion, dans sa rejection, dans, il rejette le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il dit qu'à cause, à cause, j'ai appelé, je vous ai appelé, à cause de cette rejection, le moment vient quand je vais, je vais, je à votre calamité et je moquerai lorsque votre Père viendra. Verset 27, il dit Lorsque votre Père arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un troubillon. lorsque détresse, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, mais il ne me répondra pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas ils, ils, ils, ont, ils ont haï la connaissance de Dieu. Ils ont, ils ont haï, haï l'offre de Dieu. Parce qu'ils ont haï cela. À cause de cela, alors je vais me le détourner. Je vais me détourner. Quand ils vont m'appeler, quand ils vont me tourner, quand ils vont me tourner vers moi, ils ne vont pas me voir. Parce que je me suis détourné Verset il dit, il voulut nul de, nullement de mon conseil, ils mépriseraient toute ma réprobation, par conséquent mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre destin. Car le, mais quiconque m'écoute, quiconque m'écoute demeurera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. Verset 33. Vous voyez ce, qui se passe ici. Euh, tout, on prend les deux, les deux, dans l'Ancien Testament le Nouveau Testament, on dit qu'il y a, il a le Nouveau Testament. Tu peux être né de nouveau, tu peux être sauvé, tu peux être une transformation, il peut être une transformation de la vie à toi. Mais si tu rejettes cela, mais si tu rejettes le style de Dieu, alors éventuellement, le Dieu de, le Dieu, deviendra un Dieu de jugement. Et le jugement va maintenant tomber, les indignations vont venir tomber sur ces personnes qui sont infligées, qui ne veulent pas répondre Et ce monde qui est, qui est dirigé par Satan maintenant, et Dieu maintenant va ruiner ce monde-là parce que c'est un milieu en prison. Alors il dit, il va verser l'indignation et la fureur, le courroux de Dieu va verser sur ce monde. ce qui nous amène vers la fin, ça serait vers la fin. Ce serait une réclamation de Dieu, de Dieu à la, aux ça veut dire que euh, dans ce chapitre que je viens de lire, au partir du verset 1 jusqu'à la fin, verset 1 jusqu'à verset, 11, vous allez voir que, les, les, les, que Dieu a jetées, numéro 1, sur tous les, tous les adorateurs, les adorateurs de la bête, verset 2, et, et sur toute la terre, verset 3. Et ce sera verset sur tout, vous trouvez. Verset 4, mais ce sera verset sur les rivières et les frontières des eaux qui était pour eux. Verset 4 maintenant. Verset 5 maintenant, il sera versé sur le soleil, mais au lieu que le soleil soit une source de bénédiction, éclairer les gens, ça serait maintenant versé, ça va être euh, euh, euh, un jugement. Et en 3 maintenant, ça serait, sera, versé sur le siège. Le jugement sera versé sur le siège de la bête. 7 maintenant, ça sera versé sur le grand fleuve Euphrate. Le verset 12 maintenant. Et verset 8 maintenant, et verset 7 maintenant, il y aura quoi Le rapport dans l'air. Le jugement sera plein, le jugement sera et le jugement sera final. Et ça veut dire, ça veut dire que et la plénitude de la couleur divine sur les adorateurs de la bête. Revenons maintenant verset 1, chapitre euh, verset 1. Il dit, il dit, j'ai vu. Et j'ai vu, j'ai vu, verset, il dit, j'ai vu il dit vas-y et verser la fureur de Dieu sur eux, sur la terre. Il, il nous dit clairement que ça vient, ça, ceci vient du temple de Dieu, ça vient de la présence de Dieu, le jugement, le, le fureur, l'indignation, la souffrance, la grande tribulation. Et ça viendra de la présence de Dieu parce que les gens ont rejeté Dieu, ils ont rejeté et rejet réjection en amour, rejet salut, rejet amour. À cause de cette réjection, le, le, le courroux, le jugement, l'indignation, la souffrance viendra sur les gens de ce monde à ce moment. Et, et c'est un type de souffrance qui n'est jamais passé de cette terre. Ce serait une souffrance complète, une souffrance complète, pleine et ce serait jeté et ils seront aussi aussi après ce seront tous amenés euh, dans le lac de feu la fin. Je divise le message en trois parties. Premièrement, le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Point numéro, point 2 maintenant, la, point numéro de la justification la justification, la justification, la justification. Est-ce que Dieu a une justification La justification de la couleur de Dieu sur terre, sur la terre. Oui, il dit oui, il a la Est-ce que Dieu a une juste Dieu une raison, il a une raison, il a le droit de détruire la terre, de verser sur ses d'indignation, sur eux. Point numéro 3 maintenant. Il a que la, la, la, de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 3 maintenant, la, colère de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 1 maintenant, revenons au point numéro 1. On voit point numéro 1, point numéro 1, point numéro 1. Point numéro 1, on parle quoi La justification. On dit quoi Le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Voyez maintenant Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Il dit J'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 16 anges Allez et répandez sur la terre et des feux sur le trône. Regardons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 19. 11, verset 19. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'on vit dans son temple l'arche de son testament. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Ça nous dit que quand la porte est ouverte, et Jean a vu, quand la porte était ouverte, Jean a vu, le, Jean le bien-aimé a vu la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a entendu Il a vu la couleur de Dieu il se manifestant comme, comme des éclairs, comme, venant comme des voix, venant comme des tonnerres, venant à une grande, grande, grande, une grosse grêle. Et voilà, ceci là, ceci là, c'est pas, pas particulier à cette, c'est pas particulier, c'est pas particulier à cette révélation parce que quand nous regardons l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, quand vous écoutez, quand ils voient qu'ils écoutaient à leurs prophètes, ils disaient, ils ont indiqué au dernier jour, le jugement de Dieu viendra sur ce monde, ça sur, et ça serait calissement, ça serait, ça va ça sur, ça viendra de la, du temple de Dieu dans Esaïe, Esaïe 66, Esaïe, Esaïe 66, Esaïe 66, le, Esaïe 66. Ésaïe 66, le verset 6. Vous allez verset 6, il dit, il dit c'est ça qui va arriver. 66, verset 6. Et ça vient du temple de Dieu. Et, ça, et une voix de fracas vient de la ville. Une voix vient du temple de la du temple, la voix du Seigneur qui rend la récompense de ses ennemis. Et ça vient pour, ça vient sur les ennemis de Dieu. Il dit ça vient du temple. Et c'est une voix du Seigneur qui vient, il va venir pour récompenser ses ennemis à Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Il continue aussi de dire la même chose concernant cette, ce jugement, cette, furie, cette, ce, ce courroux-là, et la, la cette, euh, ce la couleur de Dieu. au moment de la grande tribulation, contre ceux qui ont offensé, Dieu, ils ont, aussi refusé aussi de, de tourner de leur péché. Apocalypse chapitre 15, verset 16. 15, verset 7. 15, verset 7, il dit l'une de ces quatre bêtes donnant aux sept anges. Vous savez que les bêtes ici, les bêtes ici représentent les êtres vivants. Et il dit ici euh, donnant aux sept anges sept féroles d'or, pleines d'un courroux de Dieu, qui vit pour toujours et à jamais. Et les temples furent remplis de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient accomplies. Personne ne peut entrer, personne ne peut entrer dans le temple de Dieu et puis aller et lui demander et dire je t'en et pour supplier à Dieu. Et dire souvenez-vous dans l'Ancien Testament quand le quand quand quand quand quand, quand, quand, quand quand, quand, quand, quand, il, quand, se pense, il dit que, il dit dans le moment de l'Ancien Testament, quand le courroux de Dieu s'élève contre les, les peuples d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé Alors le, Moïse va dire, il va dire, il va, il va dire, Aaron rentre dans le temple, dans le tabernacle maintenant et prend des encens et fait des, des, sacrifices pour que la paix de Dieu soit, soit apaisée. Mais ici, en ce moment-là, cela ne peut pas se passer parce que la grâce est partie. Le, le, personne ne peut rentrer dans le temple de Dieu en à moins que cette férole là s'est remplie. On va voir comment, comment ces féholes, on va voir un à un, comment ces là vont seront versés un, un après l'autre, un après l'autre. Quand, quand l'une est versée, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui s'est passé que s'est passé Déjà, on a vu que, déjà, on a vu que ceci-là vient de Dieu. Et Dieu est en train de demander, il, il, commande à ces sept de venir verser et venir verser c'est ces, ces, et la, la période c'est une la période du la période du jugement sera la période de dans ce jugement sera un moment de jugement ce n'est pas un moment de d'amour si c'est ces personnes qui ont été chez Dieu et c'était Jésus qui le seul sauveur de Dieu et c'est la raison pour laquelle le feu sera verser sur eux. Et vous voir ce qui se passe. Apocalypse chapitre 16, verset 2. 16, verset 2. Après chapitre 7, le verset 2, il dit, le premier s'en alla et répandit sa féroce sur la terre. Et il tomba un noceur noisabonde et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la, bête et sur ceux qui adoraient son image. déjà, on a vu de la parole de Dieu dans Après chapitre 14. On a vu que quand une fois que ces personnes ont reçu la, la bête, la, qu'ils ont eu la bête, le, le mot de la bête, ça veut dire la, la, marque de la bête, l'antichrist, euh, ces personnes-là sont de trucs pour toujours. Après, après, chapitre 14, 14, 14 verset 9, après chapitre 19 et 14, ces gens-là sont perdus pour toujours. Ils sont perdus, ils sont détruits pour toujours, ils ont vendu leurs choses. Après chapitre 14, verset 9, il dit le troisième ange les laisse suivi, disant d'une voix étant Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans, la front, dans son front ou sa main, celui-là du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans le couple de son indignation, et sera tourmenté dans le feu et le souffle en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau et, les et la fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoit la marque de son nom. Le, est là-bas que le moment de la grande tribulation, les gens qui vont recevoir la marque de la bête, les gens qui vont suivre l'antéchrist, les gens qui vont l'adorer, adorer l'antéchrist, il n'y aura pas de, de, de, miséricorde pour eux. Et l'amour de Dieu sera ôté complètement pour eux. Et ils seront, ils auront le jugement de Dieu. Et tant qu'ils sont sur cette terre, l'indignation sera versée, le cours de Dieu sera versé, le jugement sera versé et éventuellement ils vont aussi mourir sous la, la, fureur et le feu et l'indignation et le jugement de Dieu. Ils vont aussi maintenant dans l'éternité pour là où ils vont rester et rester souffrir pour toujours. Maintenant que toutes ces choses, ces feux, ces, fureurs là sont jetées. Euh, la première, la, la, la première qui la première la, la, première, la première qui fut jetée en, la première fiole qui fut jetée en, après chapitre c'est le verset 2, il le premier s'en alla et répandit sa fiole de la terre et tomba un océan zabon C'est comme une fiole qui est venue sur les Israélites. Le moment que euh, euh, euh, Pharaon ne veut pas laisser que les enfants d'Israël se, se, partent. c'est que quand en regardant ce qui se passe, on va voir que ces choses-là se passe ça se ressemble bien, quand, quand, bien différent, quand bien grand, quand bien grand, si grand, les choses qui se sont passées en Égypte, c'est la même chose mais ici, c'est sur la même chose. Mais il y a, un, des Ce qui s'est passé, la différence, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans ce petit, dans ce, en ce moment-là, c'est euh, ce, qui, ce qui va se passer et euh, ce qui s'est passé en ce moment, c'était pas seulement qu'en Égypte, un seul pays. Maintenant, maintenant, ce serait dans tout le monde entier. Tout ce, qui, ce, euh, dans tout le monde entier. Ce qui est le diable. Exode. Exode 9. Exode 9, Exode 9, 8. Exode 9, 8. Et vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passée sur les pains. Mais bien sûr, quand bien que ces choses-là, là ne seront pas comme ça, c'est la même chose, mais ce sera plus grand que ceci. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez des mains pleines de sang de la fournaise et que Moïse la répande sur le ciel et la vue des pharaons et elle deviendra une, fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle sera les hommes et sur les bêtes un se éclatant en pestilence dans tout le pays d'Égypte et Il prit de la cendre de la fournaise et se tint devant le pharaon, et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint une stère éclatant en plus, en pistule et sur, et sur, sur, sur les hommes et sur les bêtes. Et les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moïse à cause de l'Égyptien, car Ossia était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça va aussi passer encore. Mais ceci, ce n'était pas ce moment seulement que cela s'est passé, ça s'est apparti à beaucoup de temps, à beaucoup de temps, à beaucoup de temps. Même dans le Saint, dans saint Testament, il y a eu un moment où et, et, certaines personnes ont suivi l'arche de Seigneur de Dieu. Ils, ils ont suivi la, ils ont, ils ont, ils, suivent l'arche, mais ils ne veulent pas, une vie sainteté. Ils disaient que, ils que le jugement de Dieu viendra sur Élie parce que à cause que ces enfants-là, parce que Élie, ces enfants-là n'ont pas vu, ne, ne, pas une vie alors quand ils sont partis euh, aux, à la bataille, ce qui s'est passé, que les, Philistins, les Philistins les ont vaincus. Quand ils ont vaincu, ils ont pris, ils ont pris l'arche du Seigneur. Mais ces Philistins ont cru quand on va, quand, comme on a eu euh, l'arche du Seigneur, on a fini. Non, ils ont pris l'arche, ils ont, ils amené à la maison, ils ont amené et mis ça devant leur idole Dagon. Dagon. Ils ont mis devant Dagon. Quand ils se sont le, le matin, ils ont vu que Dagon est tombé sur place. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, ans. il dit qu'il était tombé, il est tombé, il était détruit, et à cause de ce, qu'il faisait, et il vit tomber. Et il dit, et, et lorsque le lendemain, verset 3 s'il vous plaît, et lendemain, les habitants d'Achor sur les vers de bon Dieu, voici Dagon était tombé sur sa face contre terre devant le lâche du Seigneur, et ils prirent Dagon et le premier de sa place. Verset 8 ici, verset 8, c'est pourquoi ils envoyèrent et assemblèrent vers eux tous ceux les seigneurs des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël Et ils répondirent qu'aucun transporte l'arche du Dieu d'Israël à Gath, et ils transportèrent l'arche du Dieu d'Israël. Et ils arrivèrent à qu'après l'ancien des la main du Seigneur, il fit cette ainsi très grande destruction et frappa les hommes de la ville depuis les petits jusqu'aux grands et eu des hémorroïdes dans leur partie cachée. Hum. Et ici, quand on parle des hémorroïdes ici, ça veut dire que ça veut dire des boutons, ça veut dire qu'il y a des boutons, il y aura des abcès, des abcès autour tout leur corps. Et il dit et c'est pourquoi ils envoyaient l'arche de Dieu à Eucrone et ils arrivaient comme l'arche de Dieu entrait à Eucrone que les Eucronites s'élevèrent en disant, ils ont transporté vers nous l'arche de Dieu, Dieu d'Israël, pour, pour nous faire mourir, et nous et notre peuple. Alors ils envoyèrent et rassemblèrent tous les seigneurs des Philistins et dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël et qu'elle retourne en son lieu, afin que ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car ils avaient eu des soucis mortelles à travers toute la ville. La main de Dieu si, euh, si était fort alourdie, et les hommes qui ne m'aurait pas été frappé d'hémorroïdes, et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. Les hémorroïdes ici, on parle de plaies, on parle des abcès. Cela s'est passé avant. Et, le, le moment de la grande tribulation, cela aussi va se passer. Et les plaies viendront sur eux. Et les abcès viendront aussi à cause du jugement de Dieu venant sur eux. Et c'est le résultat, résultat, des versets de la, de, la première fiole versée. Regarde, regardons Apocalypse chapitre 16, verset 3. 16, verset 3, pour qu'on voit la, deuxième, la deuxième férole. Et le, et le, deuxième, le deuxième s'il vous plaît. Et le, second ange répandit sa férole sur la femme, la mère, et elle devint comme le sang d'un mort. Vous voyez, c'est l'ange, c'est le deuxième ange qui verse sa férole Et ce qui s'est passé, que l'eau est devenue comme le sang. Et toutes ces armes vivantes mourut dans la mer. Et rappelez-vous que cela s'est passé dans le moment de jugement, le jugement de Dieu sur les Israélites encore en Égypte, Exode. Exode 7, verset 17. Vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passée ici quand la mer, l'air eau, fut euh, transformée en sang. Exode 7, verset 17. Exode 7, le verset 17, il dit, voilà ceci, ainsi dit le Seigneur, à ceci, à ceci tu sauras que je suis le Seigneur, voici je frapperai avec le bâton qui est dans ta main les eaux qui sont dans les fleuves, et elles seront changées en sang, et le et le poisson qui est dans le fleuve mourra, le fleuve sentira, mauvais, et les Égyptiens seront écarvés et, écœurés de boire de l'eau de fleuve. le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, plante ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur les cours d'eau, sur les rivières et sur euh, les étangs et sur toutes les masses d'eau. <clears throat> Enfin qu'elle devienne du sang et, et afin qu'il eût du sang à travers tout le pays d'Égypte et dans le récepte du bois et dans le récepte du pierre. Et Moïse, et Aaron furent ainsi comme le Seigneur l'avait commandé. Il leva le, et il leva le bâton et frappa les eaux et qui étaient dans le fleuve aux yeux des pharaons et aux yeux de ses serviteurs et, du, et de toutes les yeux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Et les fleuves puaient, l'Égyptien ne pouvait boire, ne boire de l'eau de fleuve. Et il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte. La même chose sera aussi répétée à la deuxième verset du de, de, verset de Férol, de ce deuxième version Regardons de cette deuxième, euh, euh, euh ce deuxième ange. Alors, euh, voilà ce qu'on ressent encore euh, après chapitre 16, le verset 3. Il dit, le second ange repensa à férole sur la mer et elle devint comme le sang d'un homme mort et tout vivement est venu Je prie que tu ne sois pas sur cette terre-là en ce moment. Voyez, en ce moment, l'église ne sera pas partie de ce monde. L'église ne sera pas ici. L'église, quand Jésus-Christ est venu, les gens qui sont morts vont ressusciter et nous qui, nous qui vivons, on va le rencontrer dans la et nous tous vont aller au ciel. On va rester là-bas. On sera là-bas servant Dieu, adorant Dieu et célébrant le Seigneur avec le Seigneur. Mais ceux qui vont rester sur cette terre, les gens, les gens qui ont écouté la parole de Dieu, les gens qui ont écouté concernant le salut, ils ne sont pas repentis. Les gens qui ont continué, qui a écouté de la repentance et ils ne sont pas repentis. Les gens qui ont écouté poursuivez la justice, poursuivez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais les hommes et les femmes, ils n'ont pas accepté à se ressusciter et à, à, à, à repentir. Alors les gens l'avons perdu, ils vont rater l'enlèvement. Ceux qui vont subir cette transformation, cette, cette, souffrance, l'indignation, la souffrance, le jugement, le courroux de Dieu sur eux. C'est donc pour laquelle aujourd'hui, que si tu es un homme sage, tu es une femme sage, tu es une femme courageuse, tu es une, une femme courageuse, tu es une femme sage, un homme sage, une femme une fille sage, un, garçon sage, n'importe qui qui est sage, alors tu vas appeler le nom du Seigneur, tu vas dire, je vais me repentir pour que tu puisses échapper à la grande tribulation qui va venir. Jérémie, Jérémie nous dit aussi la même chose. Il dit que c'est le moment de jugement, le moment de l'indignation. Ça, ne sera pas le moment de messe, le moment, Jérémie dit ça. 10, 10. 10, euh, il dit, et, et, mais, ça ne sera pas, ça sera pas le moment de joie, ça ne sera pas le moment, le moment où euh, Dieu va voir, Dieu va donner, ça, ne sera pas le moment de quoi ça ne sera pas le moment de, de, de, le ne sera pas le moment de joie. Non, mais il dit, dit verset 25, il dit répand ta fureur sur les païens qui ne connaissent pas et sur les familles qui appellent pas ton nom car elles ont manqué Jacob. et et Dieu va juger et la manifestation de la, de la figure de Dieu vient, vient aussi de la terre, vient aussi à la troisième versement, au troisième versement de la fureur. Et ça la même qui va arriver et quand les, les, eaux, les eaux, les eaux deviennent, les rivières deviennent chaudes, qu'est-ce qui va se passer Et il qu'est-ce qui va se passer et aussi, quand il va finir ainsi et aussi, il y a beaucoup de, de souffrances, de plaies, à cause de la double, désobéissance, la réjouissance et la désobéissance de ces personnes. Mais ça sera seulement que le commencement de ces souffrances qui vont se faire sur cette terre-là, qui vont expérimenter sur toute l'éternité. Je prie, une fois encore, je prie que toi et moi qui écoutons cette parole ne doit pas rester sur cette terre en ce moment au nom de Jésus. Que parce que quand ces jours-là les souffrent, les souffrances, personne ne pourra s'étendre, personne ne pourra se euh, sur vaincre cela. Euh, Apocalypse chapitre 16. 7, 7. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 6, le verset 7. 6, le verset 7. Et lorsque eut ouvert le quatrième saut j'entends la voix de la quatrième bête dire, viens et vois. C'est le jour de, le salut, c'est le jour de la repentance, c'est le jour de donner, d'appeler le nom de Dieu, si tu perds, si tu rates euh, la, la, volonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, personne ne peut t'assurer parce que, parce que parce que la volonté de Dieu viendra n'importe quel moment. Et il faut pas dire. La justification, point numéro 2, point numéro venons, maintenant au point numéro 2 la justification de la colère de Dieu sur la terre. Est-ce que ce serait juste Est-ce que ce serait bien pour que, et pour, pour, que le cours de Dieu vienne, tombe sur ces gens qui sont sur la terre. Oui, bien, c'est juste, c'est le jugement de Dieu. Les gens là ont persécuté les gens qui ont suivi Dieu. Apocalypse chapitre 16, 16 verset 5. Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 16, verset 5. Il dit, j'entendis, il dit, il dit, j'entendis l'ange des eaux dire, Tu es digne, ô Seigneur, qui est et était, et sera parce que tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils, sont, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre un, autre depuis l'hôtel Oui, certainement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Et si vous voyez ceux qui sont au ciel, ils se réjouissent. Ils, se, ils sont en train de glorifier Dieu Tout-Puissant ah, parce qu'il est en train de faire comme, quelque chose comme ça, de telles choses. Et il dit, que Dieu est vrai. Et il a dit, et Dieu, Dieu est vrai. Il dit, Dieu, le Dieu qui est en train de juger les, les gens sur le monde, ces pécheurs-là, ces pécheurs-là, ces, pécheurs, c'est pas seulement qu'ils ont, non seulement ils ont, ils ont méprisé, méprisé, méprisé la volonté de Dieu, méprisé la voix de Dieu, mais ils, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détruit, ils ont empêché la volonté de Dieu, ils ont ils ont persécuté et même tué les gens qui euh, prêchaient cette parole-là voyez, regardons verset 6, il dit quoi Car ils ont versé le sang des saints, des saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Ils sont dignes de tant de ta fureur de ton courroux, de ton jugement. Ils sont dignes. La souffrance qui vient, du jugement qui vient, l'indignation qui vient sur eux. Et c'est parce qu'ils ont fait ces choses-là, c'est la raison pour laquelle les choses-là viennent pour eux. Alors la sévérité, la sévérité viendra pour eux. Et ils viendra à ceux qui sont ignorants de la mort, de ces morts, de ces choses, de ces Si, si vous ne savez comment les, les, gens méchants font la rébellion, la rébellion des gens, ils allaient voir, ah, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi, c'est trop, c'est trop, c'est trop grand, c'est trop lourd sur les gens. Mais il faut comprendre la méchanceté, l'abîme, la méchanceté de l'homme. C'est pourquoi l'ange qui connaît ça de, la mer, il a dit, il a commencé, il a dit, il dit que venant, donnant le jugement à tous les gens qui viendront. Christ, Christ viendra. Christ, ceux qui ont, qui ont rejeté Christ, ceux qui ont rejeté la, euh, Christ sur la croix, ceux qui ont rejeté la lampe, ou bien euh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui l'a donné, ceux qui ont rejeté ça, et Dieu dit qu'ils sont vraiment dignes d'être persécutés, ils sont dignes d'être brûlés, de, de, souffrir, de juger. Regardez ce que l'Ancien Testament dit concernant ces, de jugement de Dieu. Somme Somme 110. Psaume 100, Psaume 119. Psaume 119, j'arrive à Psaume 119. J'arrive à ce que Dieu dit. C'est lui qui dit, verset 9. Et c'est ça qu'il dit. Il juge, il juge ceux qui ont la ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Romain, Romain, Romain 2. Romain 2, Ici, Paul entend de parler à ces personnes. Il parle aux enfants, il parle aux enfants d'Israël. Romains 2, verset 2. Il dit, mais non, mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, contre, contre, est, sur la vérité. Et c'est sur la vérité. Contre les gens qui ont eu la chance, le privilège d'être sauvés, ils ont refusé d'être sauver. Le jugement de Dieu est selon la vérité et contre les gens qui ont connu après l'importance d'être sauvés, d'être sanctifiés, d'être purifiés. Nous sommes assurés que le jugement de Dieu est selon la vérité, ce qui est vrai, et contre les gens qui ont écouté, écouté, écouté, écouté sans comptage, sans nombre, sans laisse, sans cesse. voyez, les gens, voyez, il y a beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu, les gens beaucoup dans l'Ancien Testament n'ont pas eu cette chance pour écouter la parole de Dieu. Comment tu l'écoutes Chaque lundi, chaque lundi, tu écoutes la parole de Dieu. Tu as une copie, tu as une copie, tu as le message à écouter à la maison. Tu as beaucoup de, tu as beaucoup de papiers, tu as beaucoup, tu as la Bible, tu as toutes ces Tu te prépares, tu as le message pour te préparer chaque tu as, lu la parole de a le message n'importe partout, les papiers lit, la Bible n'importe où est avec toi de lire. Mais si tu es est incrédule et tu n'obéis pas à cette parole-là, c'est pourquoi il dit le jugement viendra et ce sera droit. Le jugement sera viendra sur, contre ceux qui, con, ceux qui commettent de cette droite, de cette chose. Et verset 7, verset 5, verset 5 qui dit, verset 5 qui dit, mais par ta dureté de ton cœur, l'impénitent tu t'accumules, tu t'accumules le courroux pour le jour du courroux et de la révélation du droit du jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chaque homme conformément à ses actions. Il y aura l'indignation et la fureur, la tribulation et l'anguiche sur tout homme et qui fera mal et les, aux juifs fesses, aux juifs et aussi à ceux qui sont non juifs. Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Et il dit la raison pour laquelle ces choses-là viendront sur les gens de ce monde en ce moment, c'est parce que c'est parce qu'ils ont, ils ont versé le sang innocent. Ils ont versé le sang des prophètes et parce qu'ils sont des maîtres de, ce, de, ces, de hommes de Dieu, des temps de fin. C'est cas pour que le, jugement viendra. Apocalypse chapitre 18, verset 20. 18, verset 20. Apocalypse chapitre 18, verset 20. Il dit, toi régis-toi sur elle, toi, celle, si elle, et vos saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Ils ont tué les, ils ont tué les prophètes, ils ont tué les enfants de Dieu, ils ont tué les gens de Dieu, ils ont tué les prophètes de Dieu, ils ont tué. Et à cause de cela, le jugement de Dieu vient sur eux maintenant. verset 24 il dit, et en elle, et en elle, et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués par la terre. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux. En, Hébreu 10, Hébreu 10, Hébreu 10, Hébreu 10 la parole de Dieu nous avertit que nous avons nous avons le privilège d'être sauvés, nous avons le privilège d'appeler Dieu et d'appeler Dieu. Et si nous ne devons pas se convertir, si on ne fait pas ce que de Dieu dit, alors le jugement viendra. Si on ne doit pas, si, on ne pas, si on, ne sera pas sauvé, nous ne sommes pas, euh, euh nous pas la damnation, nous sommes rachetés, nous ne sommes pas rachetés. Alors le jugement de Dieu va verser sur n'importe qui qui ne pas, qui rejette la, la miséricorde de Dieu. Hébreu 10 ebi edu juicy bɛn Et 10, 29. 10, 29, il dit que oh, d'une punition combien, d'une punition combien plus douloureuse, supposons-vous, sera-t-il considéré digne de celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et a agi avec malignité envers l'esprit de grâce. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Ce verset-là parle de ceux qui sont saints avant ceux qui se sont repentis avant. On parle de ceux qui se sont sanctifiés avant. Et ils ont l'esprit de grâce dans leur vie avant. Et certains, parce qu'ils se sont donnés à Dieu Jésus-Christ, au Saint Jésus-Christ, ils se sont nés de nouveau. Il y avait eu un temps qui sont devenus de nouvelles créatures. Il y a un temps qui se, ils, ils, avertissaient les autres personnes contre ce qui est, ce qui est Il y a eu un temps, l'ancien temps, ils se sont dit que Seigneur, je me donne à toi, je veux vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de droiture, je me donne à toi au calvaire. Mais il y a un temps qui est arrivé, ils sont, ils sont reculés, ils sont retournés derrière, ils se sont retrouvés ils sont retournés mais dans le passé, dans le péché qu'ils ont rejeté avant. Alors, et, ce que, et, ce sont, et ils ont vu, Jésus-Christ les a apparus pas Jésus-Christ, pas le, pas le prophète, pas les apôtres, pas les évangélistes, pas les prédicateurs, les, les, suppliants. Pourquoi tu dois mourir Pourquoi tu dois payer Pourquoi tu dois payer Tu connais, tu connais après, tu connais d'après la parole, tu connais d'après le salut, tu connais d'après la sanctification. Pour pas rester dans un pays lointain comme un enfant produit, reviens, reviens. Il dit, viens, je reste là Pourquoi tu restes là-bas tu, Mais ils sont là-bas, ils sont là, ils traînent leurs pas, ils ne veulent pas revenir en ce moment. Hein. Et ils sont là, ils sont là. Là où qui se sont, là qui se sont lavés, purifiés, sanctifiés par les sang d'agneau. Maintenant, il commence, il traite sur ça, il marche, il pitch Il dit maintenant, je ne regarde plus maintenant le sang de Jésus. Je ne regarde plus le sang euh, sanctificatoire du sang de Jésus. Ça ne me vaut rien. Et l'esprit de grâce le supplie et dit, mais euh, malgré tout, malgré, malgré tout, cette supplication de l'esprit en leur cœur. Et l'esprit de Dieu continue à combattre avec et dans l'esprit et il continue, ils ça C'est pourquoi Dieu dit la vengeance. C'est pourquoi il dit quoi Comme une chose. Il connaissant, connaissant, connaissant, connaissant à celui, connaissant de, éduquer l'avant, et encore jugera le monde. La vengeance est à moi. La rétribution et à moi appartient la vengeance, Josué, verset 31. Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, mais il retrograde et il, il meurt dans sa rétrogradation, regardez ce qu'il dit dans verset 31. Il dit, c'est une chose effroyable que de tomber dans les mains de Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu nous dit, il nous avertit à travers tous les messages que nous écoutons dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5. 5, verset 11. 5, verset 11. Il dit, connaissant donc, connaissant donc, connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu. Maintenant que les gens qui ont contre la parole, surtout les gens qui ont contre la parole de Dieu, ceux qui ont contre la parole de ceux qui entendent la parole de Dieu, mais se sont regardés, ils ont, ils ont laissé, ils ont, ils ont abandonné leur premier état, ils ont abandonné leur premier amour, ils se juste dans le péché. Mais on doit y aller, on doit aller auprès de on doit aller auprès d'eux et les persuader. On doit aller les persuader non seulement eux, ceux qui sont aussi dans le, ceux qui sont dans le péché, dans le péché, ils ne sont pas les nous. Nous qui sommes, c'est nous qui sommes les réalité d'âme, c'est nous qui sommes les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes. Nous devons aller auprès d'eux. Le jugement vient et on doit aller les avertir. Ceux qui ont rejeté, ceux qui ont refusé d'accepter Dieu, pour qu'on n'ait pas venir maintenant auprès de Dieu parce que c'est un bien que le jugement de Dieu. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes et si vous avez une femme un, mari, vous avez un enfant, une fille, un fils, vous avez des amis, vous avez des familles, un père, une mère, vous avez des vous avez des voisins, des, membres de famille qui sont avec vous, connaissant donc la, connaissant donc la terre du Seigneur. Nous devons aller auprès de les persuader à venir. On ne fait, pas seulement, on ne fait pas seulement, seulement, on aussi, on va aussi aux autres personnes autour de nous qui, nous ne connaissons pas n'importe où ils sont. On va auprès de leur, disant que, tenez-vous bien, tenez vous bien parce qu'un jour de, un jour de cours de Dieu arrivera, le jour de Dieu viendra. Alors repentez-vous, répandez, espérez, regardez bien. Fait un Pierre, un Pierre 1. un Pierre 1 verset 17, un Pierre 1 verset 17, un Pierre 1 verset 17, il dit, et si vous appelez le Père qui sans faire de distinction des personnes juives selon l'heure de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici-bas dans la crainte. Si, regardez, si que dirons-nous Que dirons-nous si le jugement vient, le moment que tu es nonchalant, le moment que tu, tu as péché, le moment que tu, as, tu es tombé par terre et tu ne t'es pas relevé, le jugement vient t'amener. Où seras-tu qui diras-tu quelle, quelle, est la voie de, de, de, quelle d'échapper Revenons, revenons, revenons en Apocalypse chapitre 16. 16, 16, 16, 16, 5, 16, 5. Dans la lumière de 16 versets, et j'entendais l'ange des eaux dire, tu es droit, ô Seigneur, qui est et était et sera, parce que tu as jugé digne, tu as, tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ça veut dire quoi Ils ont persécuté les saints de Dieu. Ils ont persécuté les membres du corps de Christ. Ils ont persécuté les enfants de Dieu, les saints. Non seulement ça, ils ont persécuté les prédicateurs, les prophètes. Et parce qu'ils ont fait cela comme ça, parce qu'ils ont fait cela comme ça, ce qui, ce qui leur montre la voie du salut, et c'est le pourquoi le jugement de Dieu viendra sur eux. Et parce qu'il ici, tu les a donné le sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu, entendu un autre depuis l'auteur dit qui certainement Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Savez, qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit à toi Est-ce que tu es comme le Suisse de Star Suisse et tu es en train de persécuter tu es en train de persécuter les prophètes de Dieu, les saints enfants de Dieu, les pères du quartier. Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te dit pour que tu puisses échapper au jugement de Dieu qui viendra à ces personnes, qui sont en train de persécuter les saints et les prophètes de Dieu. Il numéro un, répand. Il, dit, répand. Répentez-vous de toute persécution que vous avez mise sur le peuple de Dieu. Il méprise la volonté de Dieu. Et numéro deux, numéro un, la première, la première des choses que Dieu te dit de se repentir, je Jonas ce que Jonas, dans, en jeûnant, ce que Dieu te dit la version. Il dit, et vous persécutez le, le, les hommes du point. 3,8 8. Jonas 3, le verset 8. Jonas 3, le verset 8. Il dit maintenant, et que les hommes et les bêtes boivent, convertent, et soit con, soit con, soit couverts de sacs, et qu'ils crient puissamment à Dieu, oui, que chacun détourne de son mauvais chemin et de violence qui est dans leurs mains. Ça peut être que votre femme est chrétienne, et toi tu n'es pas content de ça et parce qu'elle ne veut pas être comme un Jézabel, elle veut se présenter comme une femme pieuse. pieuse. Alors ça t'irrite, ça t'irrite tu es méchant contre ça, tu la persécute Ça peut être que toi aussi, tu as une femme, tu as une femme, tu persécutes, tu as une méthode de persécuter ton, mari. Et tu, parce qu'il a changé, tu, parce, que, parce que la personne a dit non, je me tiens à la parole de Dieu qui ne fasse jamais changer. Je de cette parole et je veux vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une nouvelle vie qui est en Christ. Et la raison pour laquelle tu le persécutes. Tu crois qu'alors c'est dans même maintenant de pouvoir le, le, de, lui, de, lui, bâtir, de lui tirer, de le ramener maintenant dans le monde. Et ça peut être que tu as un parent, ça peut être que tu as un parent maintenant et maintenant tu fais la violence, tu fais la violence contre tes enfants, tu fais la violence contre tes enfants, de tes, tes, tes, tes voyants, tes membres de famille qui sont de nouveau. Tu es un homme qui, qui viole ta femme ou n'importe comment et il dit que c'est d'une. Alors il dit qui peut dire et il a dit alors il dit qui est chacun détourne de son mauvais chemin. Numéro 2, numéro 2 maintenant abstain, abstenir. Numéro 1 repentir, numéro 2 maintenant abstenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi un acte 2, un acte en acte, en acte 5, en acte 5, il dit maintenant, il dit maintenant, il dit, il dit, il dit, euh, il dit, il dit, toi Parce que si vous ne comprenez pas, parce que si vous êtes de Dieu, ici c'est conseil. Et si c'est plus de Dieu, ça vient, ça va bien là. Ça ne va pas s'accomplir. Mais si c'est plus c'est à Dieu, alors ça va venir. Personne ne peut l'empêcher. Et personne, personne ne peut l'empêcher. Ils persécutent les uns de Dieu, les enfants de Dieu. Et vous voulez maintenant la, la, la, de Dieu. Là, il faut dans arrêter. Abstenez-vous. à laisser ces gens-là en paix. si ce qu'ils disent est de Dieu, vous ne pouvez pas détourner ça. Mais si ce n'est pas de Dieu, alors vous pouvez faire question de ça. Est-ce que vous persécutez votre femme Est-ce que tu persécutes ton mari est-ce que tu persécutes tes enfants Est-ce que tu persécutes les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les prédicateurs de Dieu Abstiens-toi. Laisse cela. Abandonne ça. Laisse ça. Alors maintenant, s'il faut mettre ta, pensée, si tu es sûr que tu dois repentir, repends-toi, repends-toi. Ce qu'ils ont, le salut qu'ils ont eu, la joie de Dieu, la victoire de Dieu qu'ils ont eu dans leur vie, dans leur âme, tu les laisses et tu mets ça aussi dans leur vie. Trois maintenant, il faut relâcher. Et quand tu vois, si tu vois les gens qui te les gens, que, les gens qui se mettent et ils sont en train de, de ils, ils, ils, sont, ils, sont, en train de, ils sont en train de, là, trois, il faut réfuter, réfuter, réfute ça. Un chronique, un chronique, un chronique, il dit il, il n'a fait, il n'a fait aucun mal. Il, il, il, il, tient les gens pour qu'il dit ne touchez pas mon soin et ne fait aucun mal à mon prophète. Vous voyez, ça peut être que vous avez vu un ami, un ami, il la personne entend de blaguer, il entend de blaguer comment il a pu persécuter un enfant de Dieu. Et pourquoi on dit dans 2 1 Chronique chapitre 16, le verset 21, il dit, il dit, il dit quoi Il dit, il ne me permet pas à personne de faire mal, de faire du tort. Oui, il reprit les rois à cause d'eux. Il dit, les gens qui sont de nouveau et dans leur blague, ils disent que oh, j'ai persécuté les enfants de Dieu, j'ai persécuté, persécuté les, enfants de Dieu. Il faut, il faut, il faut, il faut réprimander ces personnes. Il faut réprimander, réprimander ces personnes. Il faut les réprimander. Et maintenant, il faut les relâcher, réprimander. Il faut, vous les, vous les, euh, les relâcher. Dans, dans Acte 16, Acte 16, Acte 16, 16, 35 à 7 ans, 5 Et c'est ça qui est. Et est, il dit laisse-la. Quand c'est un, laisse-la. Tu les, tu les tailles, tu les as attachés, laisse-les. Laisse-les laisse la, la, la Et il a pris cette nuit. Et il dit laisse la nuit. Il dit laisse-les plaît Et il fait aussi laisse-les pour qu'ils puissent sauver. Tu entends de les empêcher. Tu entends de les empêcher. Tu entends de les lier. Il faut les lâcher. Relâche-les. Relâche-les et laisse-les aller plus puisse aller louer Dieu. Et ces prédicateurs de la parole de qui veut prêcher toute la totalité de Dieu, et tu es en train de les brûler, tu es en train de persécuter, tu es en train de les lier, et tu, les tiens en captivité. Il faut les relâcher, il faut enlever tant main de leur persécution. Verset 36 maintenant. Et les gens, et, et, et les gardiens, verset 36, il dit, le, et les gardiens de la, prison remporta ses propos à Paul. Les magistrats ont envoyé l'air pour vous pour faire relâcher. Et maintenant, verset, et, et il dit, et maintenant ils allaient en paix, mais maintenant il dit, et il dit, mais, et il dit, mais, et, et il dit, premièrement tu te Numéro 2, tu t'abstènes. Numéro 2, maintenant, tu, tu réprimandes. Numéro 2, tu relâches. 5 maintenant, il faut respecter les. le respect que tu dois donner, euh, le, le, respect. Le respect que tu donnes aux prédicateurs de Dieu, au saints de Dieu, aux enfants de Dieu, des servants de Dieu, c'est la même chose que tu donnes à Dieu. 1 Timothée, 1 Timothée 5, 5, 5, 19. 1 Timothée 5, verset 19. 5, 5, verset 19. 1 Timothée 5, verset 19. c'est ça. C'est la parole de Dieu ici. Il dit, n'y a rien. Euh, verset 17, verset 17, que les anciens, ceux qui dirigent bien, soient estimés dignes d'une double transversement, ceux qui s'abandonnent à la parole de Dieu. Il faut, il faut réprimander les gens qui, qui entendent toucher les enfants de Dieu. Il faut relâcher les enfants dans le relâcher, relâcher les ministres, les, les, Dieu. Et maintenant, respecter les hommes et honorer et respecter les. Il faut les, il faut respecter, il faut honorer, il faut respecter les ministres de Dieu qui veulent montrer la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose faire, il faut les respecter. si maintenant, vous les, il faut les rafraîchir, il faut les rafraîchir. Soit un encouragement pour les gens qui servent Dieu le sang de l'enfant, le sang de Dieu. Il faut le rafraîchir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 16, 17. 1 Corinthiens 16, 17. 1 Corinthiens 16, 17. Il dit quoi Je suis content. Il dit, je suis content de la venue de, de Stéphanas et de Fortunus et des de, car à ce qui manquait de votre part, ils ont supplié, ils m'ont relâché ils m'ont rafraîchi et je, je, suis maintenant, car ils m'ont ravigoré, mon esprit et le vôtre. Car, car, car par conséquent, ayez la reconnaissance envers de tels hommes. Il ne me persécute pas, Il ne me, lit ne me lient pas, Il ne me tirent, ne me lient pas, Il ne me bande pas, Il me laisse. et maintenant, les, les, maintenant alors, car ils ont envoyé, maintenant j'ai quoi Recevez-les. Quand ces saints-là viennent il faut pas, faut, faut, quand ces scènes-là viennent auprès de vous, quand ils vont le standard que vous devez vivre, recevez-les. Et quand ces prophètes et ces prédicateurs qui prêtent la parole de Dieu à toi, et te préparant pour que la, pour la venue de Christ, recevez-les, recevez-les. On regarde 3e Jean, 3e, 3e Jean, 3e Jean 3 et 8. 3e Jean, 3e Jean, 3e Jean, 3e Jean 7 et 8. 3e Jean 7 et 8. Ces personnes-là, ils à cause de son nom, ils m'ont parti et prenant rien de gentil de, gentil de noms juif Ces personnes ils dépensent leur énergie pour, pour, pouvoir te préparer pour la venue de Christ, pour qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Parce que, voici ce qui dit, parce qu'aucun cause de son nom, ils sont partis, ne prenant rien. Comment, comment on doit le recevoir On va voir cela Galates, Galate. Galate, Galate, Galate 4, 14. Galate 4, 14 comment on reçoit, comment on reçoit ces personnes-là, en ces enfants de Et et dans ma tentation, il était dans ma chair qui vous l'avez pas méprisé ni rejeté, mais vous ne l'avez pas reçu comme un ange de Dieu, c'est-à-dire comme Christ Jésus-Christ. Recevez-le comme vous recevez les anges. Vous le recevez comme vous recevez Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ devait être venu ici pour pouvoir te prêcher Si Jésus-Christ devait être ici et te prêcher, c'est un saint de Dieu. C'est comme, comme la même, la main dont vous allez recevoir, c'est la main de recevoir ses enfants, de ses envoyés de Dieu. c'est pas seulement qu'un homme, il dit seulement un il dit seulement que, regardez, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu. Matthieu, Matthieu 10. Matthieu 10. 40 et 41. Matthieu 10, 40 et 41. Si nous allons échapper au jugement de Dieu, ceux qui échappaient à ces personnes qui sont en train de persécuter les enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Numéro 1, on répand. Numéro on répand. S'il y a une persécution que tu mets sur les enfants de Dieu, alors répands-toi. Numéro 2, maintenant tu t'abstiens de toucher ces personnes-là. Et numéro 2, maintenant vous, vous reprimandez. Et numéro 2, vous vous relâchez. 4 maintenant, 5 maintenant, respectez-les, honorez-les, honorez-les, respectez-les maintenant. 6 maintenant, il faut les rafraîchir. Numéro 7 maintenant, recevez-les. Dans Matthieu, dans Matthieu, dans Matthieu 10, 40 et 41. Matthieu 10, le verset Matthieu 10, 40 et 41. Et celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, ce soit celui qui m'envoie. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Revenons maintenant en Apocalypse 16. En Apocalypse 16, la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux, c'est parce qu'ils ne sont pas repentis de leur violence. Ils ne se sont pas détournés de leur, de leur, de leur euh, mauvaise chose qu'ils faisaient, de leur indignation, de leur mépris qu'ils ont fait envers les enfants de Dieu qui leur prêchaient la parole de Dieu. Ils ils, comment ils persécutaient les enfants de Dieu, les prophètes de Dieu. Le jugement viendra sur eux, à moins qu'ils se repentent. Je prie que le Seigneur va donner à tous et à tout le monde ici la repentance que nous avons besoin nous pour que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Donnez-moi un bon Amen ici, là. Je reviens maintenant au point numéro 3, maintenant, la couleur de Jéhovah sur les impies sur la terre. La couleur de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 3. Je lis maintenant Apocalypse 16, chapitre, Apocalypse chapitre 16, le verset 8. Apocalypse chapitre 16, le verset 8. Il dit maintenant, et l'ange et verset 8, il dit Et le quatrième ange répandit sa féroce sur le soleil. Arrêtez-vous là-bas maintenant. Il dit qu'en ce moment, quand le quatrième ange va verser sa férole, sa férole, la férole du courroux de Dieu, ça sera sur le soleil. Et les gens seront frappés par une grande chaleur. c'est depuis, depuis, depuis la création du monde, Dieu a fait le soleil briller d'une manière modérée sur tout le monde de la terre. Mais ce soleil qui a, qui a été un, un, moyen de bénédiction pour nous maintenant, ce soleil deviendra un instrument de jugement, un instrument d'indignation. Ce sera tellement intense que beaucoup de personnes vont mourir de sa lumière. Ce sera les gens qui vont, les gens qui vont adorer, qui ont endort, les gens qui sont là, ils ont pris, ils ont, euh, ils ont, ils ont pris la marque du diable sur eux, ils vont mourir. Et ils vont mourir. Bien sûr, quand ils vont mourir, un moment, ça ne va pas, ils ne seront pas relâché Je les avais lu cette Si quelqu'un adore l'image et soit la marque du Satan, la personne vivra la, la, de Dieu et il est et blasphémé et celui qui sera là. Mais ici, ici, c'est cette terre, au moment de la grande tribulation, quand le soleil va en augmenter sa, lumière. S'il va augmenter sa déclaration, alors il y a beaucoup de choses qui vont arriver. ça va augmenter en chaleur. Regardez en Apocalypse chapitre 8. En Apocalypse chapitre 8, vous allez voir que ce pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Avant même le moment de la grande tribulation, cette chose terrible, cette punition terrible est venue sur les gens, sur ceux qui sont sur la terre. Comme l'ange va affecter le soleil et beaucoup de choses. Il va affecter et tout cela va affecter tout le monde qui est sur la terre en ce moment. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. Après chapitre 8, le verset 12, il dit, et le quatrième en sonnant, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, et si bien que les tiers d'entre eux furent obscurcis. Et le jour ne brilla, et le jour ne brilla pas comme euh, pendant le, un tiers de sa durée, et la nuit de même. Ça veut dire qu'en ce moment, le, soleil sera affecté, la lune sera affectée, les étoiles seront évitées. Cela, exemple, ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 16, ici que nous venons de lire aujourd'hui elle nous dit qu'il y aura un jugement terrible sur le soleil et le soleil va briller d'une manière chaude et que c'est chaud d'une manière chaude et que sur le Quand, et le, Seigneur, le, Seigneur a dit la même chose avant qu'il ne parte sur cette terre. Luc 21, Luc, Luc 21, 25, Luc 21, 25. Luc 21, 25, il dit il 21, 25. Euh, il dit ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Jésus-Christ même a conversé. Il, y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Détresse des nations ainsi que la perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Le cœur des hommes défailliront de peur et de des hommes et sur la terre car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Elle nous a dit dans Esaïe, en Esaïe 24, Esaïe, 24, Esaïe 24, en ce moment de la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer Et de ces personnes, de ces personnes du monde, les gens qui sont sur cette en ce moment, Esaïe 24, le verset 1, le verset 1 jusqu'à 6. Voici le Seigneur rend la, la terre vide et la rend dévastée, et il la renverse sans dessus, dessus, et disperse ses habitants et il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître et de sa servante comme de sa maîtresse, de l'architecteur comme du vendeur, du prêteur, du prêteur comme de l'emprunteur, de celui qui fait un prêt à, à, comme de celui qui prête à usure. Ça va affecter tout le monde. la brûlure du soleil, le, la chaleur, la souffrance, la perdition qui sera versée en ce moment sur les gens qui sont sur la terre, ce sera à tout le monde. Verset 3 et le pays sera entièrement vidé et entièrement pilé par le Seigneur, a dit cette parole. La terre, la terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les gens hautain de la terre sont languissants, et la terre aussi est sous les pieds de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé ordonnances, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste que peu d'hommes et pédon, pédon, pédon. Voyez le jugement qui viendra sur les gens en ce moment. Quelle sera la réaction Quelle sera la réaction quand le jugement vient Devenant en Apocalypse. En Apocalypse chapitre 16, quand le soleil, quand le, soleil en train de brûler et fait que les gens meurent avec cette chaleur-là, quelle sera leur attitude C'est leur réaction. Est-ce qu'ils vont du Seigneur Nous sommes désolés à cause du jugement qui est en train de qui est sur eux. Nous savons qu'ils sont sommes des Ils sont pitié pour nous. Non, ils ne vont pas, ils ne vont pas réagir comme ça. Voyez vous avez vu certains personnes, quand ils ont péché, et le Seigneur les a averti euh, avertis beaucoup de temps, il les a dit, il a appelé. le Seigneur les a promis qu'il va, il va, les sauver, il va les sauver, il dit, mais ils continuent à pécher. Dieu maintenant veut le faire que il, il, il met une discipline sur eux. Dieu veut les recouvrir, il, dit, maintenant, il dit maintenant, venez, est-ce que vous savez qu'il y a pas pas tout le monde qui a eu un qui a qui fut châtié, qui fut réprimandé, qui fut discipliné et la personne se repent. ça pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent être disciplinées, ils vont dans ils vont dans leur ignorance, ils vont dans l'endurcissement. Quand même, même ils sont dans la, discipline, ils ne vont pas repentir. Mais certaines personnes et certaines personnes, ils ont besoin de la vous les répandez, vous les vous les disciplinez, vous les chastisez, vous et, ils sont là-bas maintenant. Et vous êtes, mais soit tu es un pasteur régional, pasteur de national, pasteur euh, euh, du, du, titre, n'importe quel pasteur, gouvernement, tu ou quoi, et tu es discipliné. Alors tu crois que tu crois que tu es au pasteur, tu crois que tu l'as, tu crois que tu as discipliné, la personne s'est répandue. Non, la personne sera là-bas, il continue à croître dans sa, dans, dans, sa, dans son doucement du cœur. C'est ce que les gens là font ici, c'est la même chose qu'ils font. c'est pas une chose, c'est pas, pas une chose étrange ici. Vous voyez la nature de l'homme percé est tellement différente et l'homme est tellement têtu d'une manière qu'il n'arrive même pas à se relâcher de sa mauvaise voie facilement. Et le jugement, le jugement qui de qui va venir en ce moment-là, quand bien mieux le jugement en train de venir, au lieu de se repentir, il continue, il continue, il continue à, il, continue à grandir, il continue, il, continue il il continue, il continue à accroître dans leur péché. il continue à accroître dans leur endurcissement. Si vous êtes là-bas, vos pasteurs, vos leaders, là, écoutez-moi ceci, là, si bien. Écoutez-moi ceci, là, vraiment. Ceci, là, je ne devais pas dire que si les gens font des choses à l'église et ils sont mauvais et que vous ne devez pas les discipliner. Non, je ne dis pas ça. Vous, passez nationaux, vous, pasteurs régionaux, vous, passez de district, euh, pasteurs, de coordinateurs, n'importe, n'importe où vous êtes. Et vous, écoutez-moi ceci bien. Je ne dis pas que vous ne devez pas les discipliner quand ils font du mal. S'ils font des choses, il faut les, vous devez, il, faut il faut, il faut les, if Il a dit que, oh, ok, parce que si je les discipline, alors ils vont accroître dans leur désolation, ils vont accroître dans leur endurcissement de cœur, dans leur rébellion, alors il faut pas laisser les, on va laisser les alors qu'ils puissent détruire le, euh, le royaume de Dieu, le royaume de temple de Dieu. Non, je ne dis pas ça, non, je ne dis pas, tu dois les, tu, dois les discipliner, tu dois les discipliner. Le Seigneur le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur lui-même savait que le jugement et la dispensation, le jugement de Dieu ne va pas les corriger, ne va pas les mener à au salut, mais Dieu a continué à verser les féroces sur eux. Il a continué. C'est la justice, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est comme ça. Et les et jugements, mon frère, je sais, dirigeant là-bas, fait ce qu'il est droit. Si même, si, si bien même, il ne va pas se détourner, fait ce qui est normal. Le péché doit être puni. Et le péché doit être jugé. Et si bien même il, ces pécheurs-là et ces retards-là vont se rebeller contre toi, continue à le faire. faut pas être fatigué. Dieu n'est pas fatigué. faut être un enfant de Dieu et continuer sur les pas de Christ, du Seigneur, de Dieu. Et regardez après le jugement, après le gardien du jugement. En Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16, 16, 16, verset 9, 16 verset 9, il dit quoi Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu lequel a pouvoir sur les plaies, et il ne se repentir pas pour le don pour le rendre gloire. Nous, sommes dit dans chapitre 9, 9, 8, 9, 18. 9 verset 18, 9 verset 18, on nous dit la même chose concernant ces personnes ici, après chapitre 9, le verset 18. Et par ces trois par, les trois tiers des hommes fut tués par le feu et par la fumée et par la soufre et par le soufre lesquels sortirent hors de leur bouche. Verset, 20. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains et du fait, du fait qu'ils ne devaient pas adorer les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, laquelle ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas non plus de leur maître, ni de leur sorcelleries, ni de leur fornication, ni de leur vol. Vraiment, c'est merveilleux d'être comme Dieu. C'est merveilleux. Et vous, père et mère et parents, quand vous voulez, quand vous, quand vous corrigez vos parents, vos enfants, de, de moins, de, plus, vous, de, de, plus, de, plus, vous corrigez vos enfants, de plus ces enfants deviennent tellement têtus et les enfants disent, oh, <laughs> je m'en fous, mes parents, mon père, ma mère, ils vont, ils, continuent ils vont, ils vont continuer à me, à, à me punir, à me punir, ils seront fatigués, alors ils vont relâcher ils, seront fatigués. Ils seront fatigués. À moins qu'ils commencent, à moins qu'ils comme mon par, mes parents, il faut leur donner ça. À moins qu'ils, de plus qu'ils, juste, juste, s'ils continuent à faire des mauvaises choses, ils commencent, ils continuent à s'imposer, à, commencer, à, continuer à être rebelles contre vous, parents. Il faut continuer à les discipliner, continuer à les raffiner, continuer seulement à les, les faire les choses il faut pas il faut, il faut, faut pas être fatigué s'ils ne sont pas fatigués s'ils ne sont pas fatigués de, de, la rébellion s'ils sont fatigués de, la, de de l'impolitesse s'ils ne sont pas fatigués de ça alors vous aussi ne soyez pas fatigués de la discipline disciplinez continuez à les discipliner il faut toujours aussi le raffiner continuer à raffiner en Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 16 verset 10 Apocalypse chapitre 16 verset 10 16 verset 10 il dit quoi il dit et le deuxième 10 il dit et le cinquième ange répandit sa féroce sur le siège de la bête et son royaume fut rempli d'obscurité et ils mordaient leur langue de douleur et ils blasphémaient de Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs actions. voyez ici, on voit ce que le Seigneur a fait il a, il a versé, il a versé les féroles sur les gens, sur son trône. Il a versé, ça veut dire qu'il a fait. On a vu le Dieu, le jugement de Dieu est global, est global sur toutes les parties du monde entier. Maintenant, Dieu verse, il verse sans férole sur, la, sur le royaume de Satan et il y aura des nations des troubles, des plaies. Il y aura des, il y aura des troubles, il y aura des terreurs, troubles. Mais les gens, bien, mais les gens ne vont pas se troubler, ils ne vont pas se repentir. Est-ce que si, regardez, quand l'amour et la sécurité ne peuvent pas sauver un homme et, et si un amour la miséricorde et la solidarité de Dieu, la compassion de Dieu n'amène pas quelqu'un à pouvoir être sauvé à pouvoir être sauvé Et maintenant, que durant nous Que durant nous de la, punition, la punition éternelle Est-ce que cette punition éternelle sera échappée Cette punition éternelle sera échappant Ça sera échappant Ça, on se pose la question, Qu'est-ce sera l'attitude Quelle sera votre réponse Quelle sera votre réponse à la, à la, à la, à prédication de la parole de Dieu Est-ce n'est pas la prédication de la parole de Dieu qui nous amène à repentance Soit nous sommes prêts ou pas ou pas euh, Esaïe, Esaïe 9, Esaïe 9, verset 13. Esaïe 9, Esaïe 9, Esaïe 9, le verset 13. Esaïe 9, verset 13. Il dit, elle, il 9, verset 13. Et il dit, les, les, gens, de ce monde ici-là, il ne faut pas être comme eux. Ils ne se repentent pas, car le peuple ne tourne pas à celui qui qui les frappe. Il ils ne se retournent pas, ils ne se retournent pas. Nous comme les gens de ce monde, ils ne cherchent même plus pas le Seigneur de les armées. Jérémie, Jérémie, Jérémie 5, Jérémie 5, 3, Jérémie 5, le verset 3, Jérémie 5, le verset 3. Il dit ici, ô Seigneur, tes yeux ne sont-ils pas sur la vérité Tu les as frappés, ils n'en ont pas affligé. Quoi, que Dieu, que nous dit Tu les as, tu les as affligés, tu les as réprimandés tu les as frappés, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas eu de remorse, ils n'ont même pas regret, ils ne sont pas regrettants des choses. Ils ont refusé de recevoir quoi La correction dit, mais ils ont refusé de recevoir la correction. Ils n'ont rendu leur visage. Ce sont les gens qui sont les personnes qui s'endurcissent dans le péché. Ce sont ces gens qui se sont, qui, ont avancé, qui, sont, qui ont euh, surpassé la réprimation et la rédemption. Ils ont, ils ont refusé la, rédemption de Dieu. Dieu dit qu'ils ne sont pas, une demande être comme ça. C'est Fanny 3, Séphanie 3, 7, Séphanie 3, 7. Sophonie 3.7. Sophonie 3.7. 23 7 Il dit, il dit sur le mot, il dit sur, il dit, je disais, à moins que tu me crains, à moins que tu me craindras. Sophonie 3.16, 3.7. Il dit, je disais au moins, tu me craindras. Tu recevras l'instruction afin que sa demeure ne soit pas retranchée, quelle que soit la punition que j'entends, que j'envoie sur elle. Dieu dit, je vais les, je vais les châtier, je vais les reprimander, ce qui va faire qu'ils qu'il soit, qu'il se repentent. Et Seigneur dit maintenant, il dit, il dit il dit dit n'importe quelle méthode j'utilise en les corrigeant, en les amenant à moi. Ils ont corrompu tous, ils ont corrompu tous leurs œuvres. Mais le Seigneur nous dit que nous, nous avertit en Hébreu, en Hébreu 3. En Hébreu, 3, Hébreu 3, 11. Hébreu 3, 11. Il nous dit que 3, 11, il nous avertit. Il nous dit que il dit, « ainsi je dirai dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle des enfants d'Israël. Ils en continuent à faire du mal jusqu'au moment où Dieu a dit c'est fini. Ils ne vont plus rentrer de manière dans mon reste. Et maintenant il vient à nous maintenant. Il ne dit maintenant que il dit, il qu'on ne doit pas être comme eux. Il dit maintenant, prenez garde, verset 12, frères, de peur qu'il n'y ait l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité en train de se détourner du Dieu vivant faut pas encourager, il faut pas vous encourager les gens de autres dans le péché, faut pas vous encourager les gens les autres dans la rébellion, faut pas vous encourager dans la rétrogradation, faut pas vous encourager dans les gens qui tombent par terre de, rester sur la terre. Dites-les de se relever, dites-les de se relever, encouragez les revenus au Seigneur qui doit connaître le Seigneur, qui à moins, dites à moins que personne ne euh, ne connaisse Dieu, il ne verra pas le Seigneur. Si quelqu'un meurt comme un croyant, un incroyant, il va mourir, il va périr. Aimez vos amis au, du point que, du point, du point de leur prêcher la parole de Dieu. Il faut leur prêcher de Dieu et dire, venez à Dieu pour que personne ne se perde en ce moment en train. Mais exhortez-vous l'un d'autre chaque, euh, chaque, chaque jour pendant qu'il est appelé aujourd'hui de peur que l'un de vous ne soit endurci par ton tempête du péché car nous sommes faits participants de Christ. Nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endurcez pas vos cœurs. Regardez ce que nous lisons ainsi Vous savez, vous avez la raison pour laquelle il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de, il y avait plus encore de, de, de miséricorde parce que quoi, ils se sont, ils se sont dus jusqu'à un lèvre un, niveau. Dieu les a donné le cœur, il est dans l'amour. Il dit que ne soyez pas comme eux, n'endurcez pas vos cœurs. Regardez Hébreu 2, 1. Hébreu 2, 1. Hébreu 2, 1. Hébreu 2, 1. Il dit pas conséquent. Hébreu 2, 1. Il dit par conséquent, nous devons donner la plus grande ardente attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous les laissons échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute Transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense. Et dit pourquoi nous devons fermer les yeux, pourquoi nous devons fermer les oreilles, pourquoi nous croiser les bras et dit qu'alors pourquoi restons-nous dans le péché, pourquoi pourquoi ce, ce est toujours resté dans sa rétrogradation Tant, euh, pendant qu'il y a la, réconciliation, et y la restauration en Dieu, revient à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont regardé aujourd'hui vont revenir au Seigneur. Je, je dis que vous allez revenir au Seigneur maintenant. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous venez à l'église, vous êtes venus à l'église depuis longtemps, mais vous avez refusé de donner votre vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de salut, le jour de salut, le jour de restauration que diras-tu si aujourd'hui l'enlèvement se passe aujourd'hui Chaque jour tu viens au du public, à mais tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Regardons Jérémie, Jérémie 8, Jérémie 8, Jérémie 8, 14, Jérémie 8, 14, Jérémie 8, 14, 8, 14. pourquoi tu nous euh, euh, verset 14 et pourquoi restons-nous dans sans bouger. Verset 20 ici, il dit, la moisson est passée, l'été est fini. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Tu es là, tu viens, tu viens, ta vie n'est pas changée. Change lui Verset 22, il dit, n'y a-t-il pas de baume en ou bien en Galade N'y a-t-il pas de, la, de, médecin Pourquoi donc la santé de la fille de mon peuple n'a-t-elle pas été oh, rétablie, Pourquoi les, les gens les gens qui sont saints là, ils sont en ciel, ils disent Seigneur, viens, viens, pour que tu donnes la vengeance, tu nous revenges notre, notre souffrance. Mais Dieu entend d'attendre, Dieu entend de tarir. Pourquoi il tend Pour Pourquoi il entend de tarir Pourquoi il t'arrive Pourquoi il Il à cause de toi. Il t'arrive pour que tu sois sauvé. Il t'arrive, il ne vient pas. Il train de se relâcher pour que tu puisses être sauvé. la, moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson est en train de venir, elle et le temps sauvé elle là, il veut te sauver, il veut te sauver. C'est le moment de c'est de. C'est le moment d'appeler le Seigneur de Dieu. C'est le moment d'appeler Dieu et du Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mets-toi debout maintenant et prie, et prie, et du Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est le moment d'appeler Seigneur, c'est le moment d'appeler au Seigneur Jésus et du Seigneur, viens, aide-moi. Et maintenant, toi étant, toi, toi femme, toi homme, toi mari, toi, euh, euh, marié à mariée, jésus ne veux pas te décevoir, il va te recevoir, il va, viens au Seigneur jésus de détourne tes péchés, donne-toi Seigneur, au Seigneur, et dis Seigneur, je me donne à toi et je donne tout, à, tout ce que j'ai à moi, à toi. Maintenant, et c'est un moment, c'est un moment de, de c'est un moment de te donner à toi. Et Jésus dit, viens, viens, j'ouvre mes mains à toi, viens à moi, viens à moi, je te recevrai et je vais te recevoir et je vais te pardonner tous les péchés. Alors tu vas venir au Seigneur. J'espère tout le monde de se mettre debout. Je veux que tout le monde se, se mette debout. Je veux que tout le monde ici se mette debout. Tout le monde a qu'à se mettre debout. Je ne veux pas la rébellion. Je ne veux pas que la rébellion continue dans cette église, dans cette rébellion continue. Je dis, tenez-vous debout et priez. Viens au Seigneur Jésus et dis, Seigneur Jésus, Seigneur, sauve-moi. S'il y, a, y a une chose, s'il y a une rébellion, il y a une chose dans, vous êtes rebelle, vous êtes rebelle, vous êtes rascal, vous avez des choses qui ne tiennent. Et pourquoi, pourquoi en pourquoi, pourquoi pourquoi pourquoi, tu là-bas? Bah, et je ne pas te tu ne pas euh, un être de nouveau. Le Seigneur t'appelle, tu appelle, vous voyez le, jugement de Dieu, vous voyez le jugement de Dieu, l'indignation de Dieu, le courroux de Dieu venir euh, versant la férole, versant sur les enfants de les enfants de ce monde qui vont rester sur cette terre, ils ne vont pas aller au ciel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te parle, te dit, répands-toi aujourd'hui. Aujourd'hui est la voie du chemin. Où es-tu? Pourquoi rester là-bas? Où es-tu? Pourquoi retardes-tu? Pourquoi en train de reculer? Pourquoi en train de perdre les pas? Pourquoi en train de te, euh, de, te ralentir? Pourquoi tu relances, pour qu'en tant pour que relances, viens au Seigneur maintenant, viens et brise le cœur de, de, cailloux, le cœur qui est tellement indiscutible, brise cela. Le jugement de Dieu viendra alors, il viendra et sûrement et sûrement, le jugement de Dieu viendra. Le jugement de Dieu ne peut pas t'arraver, ne peut pas t'attraper. Le Seigneur et, et, et, si, si, si, si, si la volonté de Dieu, si le jugement de Dieu, si la correction de Dieu ne va pas t'amener à la repentance, alors que dira non. Alors maintenant, c'est le moment de se repentir, c'est le moment de dire, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie, aie pitié, aie, aie, aie, aie la miséricorde envers moi, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, aide-moi. Maintenant, tu sais que toi-même, toi-même, tu sais que tu, tu, tu, toi-même, tu sais que tu as regardé, toi-même, tu sais que tu es dans la rébellion, toi-même, tu sais que tu es pas dans le, tu es parti dans, le, dans, le, dans, dans, dans la sécurité tu as pas de la polygamie, tu es parti marier une, femme deuxième, tu as quitté ton mari et tu es parti auprès d'un autre homme. Tu sais ça et tu sais que tu as laissé ta femme et tu es parti auprès d'une autre femme. Tu sais ça et tu sais que tu es en train de faire du mal, tu fais des choses qui sont mauvaises. Tu dis Seigneur, me voici, me voici, Seigneur, me voici, je me donne à toi, me voici, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, me voici, me voici, laisse-moi, Seigneur, me voici, me voici, Seigneur, me voici, sauve-moi. Si tu es un péché, si tu es regardé, si tu es parti dans le péché, et tu regardes regardé, tu sais que tu n'es pas bien avec Dieu, tu n'es pas en relation avec Dieu, c'est le péché que tu as fait. Alors Seigneur, tu, tu, tu prends la, la corruption, tu prends le sous de table, tu fais tout ce Le Seigneur te dit, viens alors, viens à moi maintenant, maintenant viens, viens, viens comme un enfant prodige, viens comme un enfant prodige, viens comme un enfant prodige. Le Seigneur veut te sauver, il veut te sauver, le Seigneur veut te sauver, il veut te restaurer, il veut te changer. Il veut, si tu es revenu maintenant, si tu es retourné dans les mensonges, tu es retourné dans la rébellion, tu es reparti dans de quelqu'un qui est têtu. Et le Seigneur te dit, maintenant reviens, ici, te viens maintenant, dit Seigneur, mais voici, je me donne à toi maintenant, je me donne à toi maintenant aujourd'hui verra, qu'est-ce que tu vas gagner dans la rébellion, dans la désobéissance, dans la, dans la rétrogradation et dans la désobéissance Poursuivez la paix avec tous ces, et la, la sanctification sans la paix, sans laquelle personne verra le Seigneur. Maintenant vient la sanctification. Le Seigneur ne nous a pas appelé à l'implicité, mais à la sainteté, à la sainteté. Et quiconque, quiconque qui, viendra à la sainte montagne de, de Dieu, seulement qui a les mains saintes, les mains saines. Le Seigneur espère que tu pries aujourd'hui, il va te sanctifier, il va ta vie, il va ta vie, il va appuyer ton cœur, il va faire bénir ceux qui sont purs en, coeur cœur, parce qu'ils ils vont juger de cercle de, bonnes fruits. Le grand, la, le moment de la grande tribulation sera un moment tellement difficile, ce serait une indignation de la courroux de Dieu. Et de, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, il dit, pour que tu ne peux pas, s'amuser avec ton âme, il ne pas s'amuser, tu ne pas s'amuser avec ton, ton âme, tu ne vas pas s'amuser avec euh, ta, ta future, là où tu vas rester, ton âme, non. C'est la exemple pour laquelle tu es venu à l'étude biblique. Tu veux connaître Dieu. tu veux, tu veux connaître Dieu. Tu veux échapper à la grande tribulation. C'est la raison pour laquelle tu es venu. Tu ne veux pas, tu veux échapper à la grande tribulation. C'est la raison pour laquelle tu es venu. Tu veux échapper à l'indignation, le courroux de Dieu qui viendra sur les, les non-sauvés. Alors tu viens, parle au nom du Seigneur de Dieu. Si tu tournes, toi, de ton, de ton péché, si tu, te détournes du péché, il va te laver et purifier le sang de l'agneau. Et tu ne seras jamais le même. Tu ne seras jamais la même. Tu ne seras jamais de même. Il va te donner une nouvelle vie, un nouveau nom. Et les jeunes gens, les jeunes gens qui sont là-bas, c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Les jeunes gens qui sont là-bas, les jeunes femmes, les jeunes filles qui viennent, qui sont là-bas. ça la raison pour laquelle nous venons à l'église. Que le Seigneur de Dieu, le Dieu va toucher notre cœur, il va toucher notre esprit. Nous serons victorieux. Nous, celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Et si, si, si, si, s'il y a un grand de péché dans nous, alors le péché, nous n'allons pas voir le péché, nous ne pas voir le ciel parce que le péché est en nous. Quiconque, quiconque ne fait pas du, de la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui ne connaît, n'aime pas son frère et de Dieu. dit Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici Seigneur. Je me donne à toi, je me rends à toi, je me donne à toi complètement, je me donne à toi, je me donne à toi complètement Seigneur. Je ne veux pas s'amuser avec ma vie, je ne veux pas s'amuser avec euh, mon âme, je ne veux pas s'amuser avec mon salut. Je me donne à toi, je me donne à toi, je me rends à toi, je me soumets à toi. Parle au Seigneur, donne au Seigneur, appelle au Saint-Seigneur et répands-toi de ta violence, répands-toi de tes mauvaises choses, répands-toi des choses mal, répands-toi du mal. Seigneur, me voici me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu veux être sérieux d'aller au ciel. Tu as besoin tu ne, joues pas la religion. Il ne faut pas être un pharisien, il faut pas être un, faut pas être un pharisien dans l'église de Dieu. Tu veux être un vrai enfant de Dieu pour échapper au jugement de Dieu qui viendra, le, le monde des, non repentis, le monde des rétrogrades. Il faut être euh, appelé de Dieu et que Dieu ait la miséricorde envers toi, que Dieu ait la miséricorde envers toi, que, tu ne peux pas périr dans ta péché. Dieu n'a pas d'acception de personne. Dieu n'a pas d'acception de personne. L'âme qui pèse, elle qui mourra. La somme, la, Dieu n'a pas la des personnes. L'âme qui pèse, elle qui mourra. Faut pas te fouler, faut pas te mentir, faut pas te tromper. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est pour toi. Mais appelle le nom du Seigneur de Jésus. Appelle le Seigneur de Jésus et Dieu. Et, et il faut soit être, soit, soit sur lui avec ta vie. Et la couronne de Dieu, c'est c'est pour le appelle le nom du Seigneur de Jésus. Si tu es bas, si tu es regardé et tu vas confesser tous les péchés un à un au Seigneur et dis Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici. Je mets tout, je me donne à toi, je me donne à toi, je, vais te servir, je vais te, je vais te servir en, esprit et en vérité, je vais te servir, je vais te servir en, esprit et en vérité, je vais te suivre, je te suivre jusqu'à la fin, tous les jours de ma vie, je vais rester aussi avec toi en fermement, en conversion en restant sur la parole de Dieu. Je ne vais pas, euh, je ne vais pas contenir le péché. Seigneur, aie pitié en moi. Et Dieu dit, je vais, vais te satisfier, je vais te laver, je mettrai de l'eau pure sur toi et je vais te laver, je vais te purifier et tu seras saint, tu seras pur et après tu vas dire que je suis lavé et purifié parce qu'il t'a lavé avec le sang de l'agneau. Alors après dit que je vais briser le cœur en dans ton, dans, toi et je donne un nouveau esprit, je vais donner un nouveau cœur et je mettrai un, un cœur de chair. Ça veut dire que c'est la circoncision. Ça veut dire il va te sanctifier. Ça veut dire qu'il va te purifier. Ça veut dire il va te faire, il va te rendre saint, pur. Il va mettre son, ton esprit saint, ton cœur saint et sans dehors et dehors, dehors autour. Et après, il dit que je mettrai mon esprit en toi. Je mettrai mon esprit en toi et tu seras, tu vas, tu vas, tu travailler, tu vas marcher dans mes statues et tu, tu vas recevoir la puissance. Tu vas recevoir la puissance après que l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Tu seras mes témoins dans Jérusalem, en, en, en, en, Samarie et dans toutes les parties du monde. Viens au Seigneur Jésus et Dieu Seigneur aide-moi. Toutes ces choses que je viens de vous dire, c'est tellement important Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me Alors je vais te suivre, je vais te suivre, je vais t'adorer, je vais te servir en esprit et en vérité, en droiture, en toute sincérité. Viens au Seigneur Dieu maintenant et laisse que le Seigneur lui-même fasse une grande un, un, grand, un grand travail dans ta vie. Le salut est tellement chaud Le salut, c'est un grand travail. Maintenant, tu vas échapper, maintenant, tu vas échapper, maintenant, tu vas échapper. Et tu vous négligez, si vous négligez, un si grand salut, un si grand salut, un si grand salut, un si grand salut. Si vous négligez un si grand salut, depuis que tu viens, est depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu es sauvé? Depuis que tu viens, est-ce que tu es sauvé? Est-ce qu'il y a une nouvelle vie là-bas est-ce que tu as abandonné tous les péchés Est-ce que tu as abandonné tous les péchés Est-ce que tu as victorieux sur les péchés? Et laisse que l'Esprit de Dieu rend témoignage que tu as victorieux. victorieux à l'église, victorieux dehors. Victorieux dans, le bureau et victorieux à la maison. Victorieuse, victorieux n'importe où tu es. Victorieuse, victorieux n'importe où. Est-ce que tu es sanctifié Est-ce que tu, es, en unité avec Christ tu unité avec le pasteur Est-ce que tu es en unité avec le peuple de Dieu Ce sont les, ce sont, ce sont les marques, les marques que de la sainteté. La sainteté, est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu, à la, à la parole de Dieu Est-ce que tu marches dans les voies, dans les voies de la, de la sainteté C'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui te doit, mon frère, c'est ce qui te doit, ma soeur. Est-ce que tu es prêt, Est-ce que tu es prêt que quand le Seigneur vient aujourd'hui, tu iras au ciel Appelle le Seigneur pour que, appelle le Seigneur pour que ta venue ici ne soit pas en vain. Ça, ça serait une, un effort en vain, un, effort qui ne va pas te, qui quelque chose. Amen, le Seigneur. Et tu, tu, tu laisses le Seigneur appelle dans ta vie et tu le laisses te sanctifier, te purifier et tu vas marcher dans les voies célestes de Dieu. Et tu laisses que toujours, chaque jour, chaque semaine, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et tu seras, et tu marches dans la sainteté de la vie, de la, dans la sainteté de la pureté de Dieu en tout moment au nom de Jésus. Et tu laisses lui-même venir travailler. Tu seras aussi un exemple de Bill, un exemple de croyant n'importe où tu seras. Que Dieu t'aide à échapper à, au jugement qui viendra. L'enlèvement va prendre. L'enlèvement peut venir à n'importe quel temps où nous sommes maintenant. Et quand il va venir, nous, euh, ceux qui seront restés sur cette terre, là ceux qui vont sur cette terre-là, qui vont se rendre laissés derrière, ils vont souffrir avec dans le courroux de Dieu, l'indignation, le jugement de Dieu, la dureté, l'indignation, le courroux de Dieu et la souffrance qui va venir sur, cette, sur le monde, de ceux, sur les gens qui sont sur le monde. Quand les hommes de Dieu, les élus de Dieu, chargés de Dieu vont aller au ciel. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas rester sur ce monde dans ce moment-là. Dis au Seigneur et le Seigneur va t'aider pour que tu ne sois pas sur ce monde dans ce moment et il faut prier ah, au moment où, jusqu'à ce que tu crois, toi-même tu sens dans ton cœur que tu es prêt, tu es sauvé, mais tu es sanctifié, parce que l'enlèvement peut venir en n'importe quel temps, euh, euh, à partir de jeudi, en n'importe quel temps. Prie et continue et demande Dieu, dit et assure-toi que ce que tu as dit, et le Seigneur t'a oublié, le Seigneur t'a écouté, il, va, il, t'a fait cela. Et continue à prier jusqu'à ce que tu te sens dans ton esprit que tu as écouté. Et le Seigneur va dire